novembre 2024, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Rakia Arimi et ce matin, je suis en compagnie de Fanta Shams. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien Rakia. On fait aussi un coucou à l'équipe à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Mariamade à l'édition et à la technique, nous avons Abdelkader Chombiano. Alors Rakia quel est le programme du jour comme d'habitude, nous allons débuter avec euh, le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire de sur l'environnement une page sport, la rubrique portrait et le lot du jour. Et dans la partie éco de région, nous allons faire un tour à Tessawa, région de Maradi, pour parler de la campagne agricole. Et dans la partie entretien de ce matin, nous donnons la parole à Madame Mindoudou Zainabou, la présidente de la Haute Autorité à l'énergie atomique, Hania. Comme annoncé, nous allons débuter avec le flash d'information à présent ce matin et présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rakia, euh, bonjour euh, Fanta. Nous débutons ce flash d'information avec cette activité de la primature. Le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen qui a rencontré hier à son cabinet les juristes responsables de l'initiative 50 MW du projet Scaling solaire. L'initiative du projet Scaling solaire consiste à fournir 50 MW d'énergie solaire à la centrale Gurubanda. L'objet de cette rencontre a indiqué le coordonnateur est de regarder et faire une revue de tous les documents pour voir leur conformité avec les textes que nous appliquons au Niger, trouver une solution dessus en cas de non-conformité pour que le projet soit signé sans problème. Poursuivant sa mission d'inspection dans la région de d'Ottawa, le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mahaman Salissou, accompagné par le gouverneur de la région, colonel-major Umaru Tawaye, s'est rendu hier mardi sur les chantiers de construction des routes Ablak-Tamaya et RTA kaou la délégation ministérielle a d'abord visité euh, le chantier euh, de réhabilitation de la RN25 section abalaka tamaya longue de 70 kilomètres financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA sous forme de dons de la République populaire de Chine. Ce projet de réhabilitation en béton bitumineux comprend le terrassement, la chaussée, l'assainissement, la protection, le dallo et l'installation riveraine. Le, de la, le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise ce mercredi un forum national de trois jours euh, sur les décès maternels et périnatales à Niamey afin d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et périnatale au Niger et être au rendez-vous des objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030 placé sous le thème plus jamais de décès maternels et périnatales évitons évitables au Niger agissons ensemble ce forum a pour objectif général de mobiliser toutes les parties prenantes autour des plus hautes autorités du Niger pour un engagement en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 13 novembre 2024. Merci, Merci beaucoup, Mokhtar. Et Merci. bonne Très bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé dans l'entretien de ce matin, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA e avec euh, Madame Mindaoudou, présidente de la dite institution. Mais avant, nous allons écouter la première musique de notre playlist du jour. Il s'agit des Maïmou de Tsakai. Maïmouna Kagama je Maïmouna, ce fut cette année-là où tu faisais ma joie. Tu m'as marqué d'une croix, la fierté là. tu vis de moi une Tu j'ai la plus belle, le plus belle, c'était moi. Aujourd'hui, tu me fuis comme si j'ai la peine. Me crois sur un pour pouvoir faire le reste. toi dans ton bec et viens couler mon bec. Je suis un sec et mérite que tu m'éteigne. à mes méfaite, car c'est toi qui me J'avais perdu la tête pour une pièce imparfaite. Casse-tête quand t'as fait. Ouais, comme t'es blessé, l'année c'est fouetté, c'est qui rôde à l'en complet. Maintenant, encore face à mini pour mon tour. Des Dessine d'un sourd. fonda sampo ni kai abobi yace fadi dogon un destin alhana da kai sai ba sinai mate chanson Maïmou est une belle déclaration d'amour où le chanteur exprime ses sentiments profonds pour sa dulcinée. À travers des paroles sûres, il évoque la passion et la tendresse qu'il ressent pour elle et lui parle de ses rêves, de ses espoirs tout en lui demandant de lui ouvrir son cœur sa supplication pour qu'elle l'aime en retour montre à quel point il est vulnérable et sincère dans ses émotions. La mélodie souvent douce et mélancolique accompagne parfaitement ses mots romantiques et émotifs. C'est une chanson euh, qui résonne avec euh, quiconque a déjà ressenti l'intensité de l'amour et le désir d'être aimé.

auditeurs, vous venez d'écouter le titre Maïmou du groupe euh, de rap Tchakai. Place euh, maintenant à l'entretien du jour avec Madame Zainobou Mindaoudou, présidente euh, de la Haute Autorité nigérienne de l'énergie atomique, une institution créée pour aider le Niger à relever les défis auxquels font face les populations. On l'écoute. Bonjour madame et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, veuillez présenter la HANEA à nos chers auditrices et auditeurs. Euh, la HANEA est une euh, administration de mission qui a été créée en 2013 avec euh, comme mission principale la supervision, la coordination, la promotion de toutes les applications pacifiques des sciences et techniques nucléaires, y compris l'électronucléaire et puis les radiations ionisantes, bien sûr en collaboration avec toutes les structures impliquées. La HANEA coordonne aussi tout ce qui est projet au niveau national et la ANEA est chargée de euh, d'établir, euh, d'initier ou bien d'entretenir la coopération avec euh, les institutions internationales ou bien leurs sous-structures. en vérité, la e est utilisée par le gouvernement comme un instrument qui permet de montrer son programme ou son plan dans le domaine nucléaire et c'est une façon de rendre visible toutes les activités que le Niger entreprend dans le domaine nucléaire au niveau national et au niveau international. Pour bien mener ces actions, qui sont vos partenaires en termes de coopération internationale, euh, la HANEA a trois principales institutions internationales avec lesquelles elle collabore. Il s'agit de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, e dont le siège est à Vienne, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires qu'on appelle OTIS le siège est à Vienne aussi. Et euh, la Commission africaine de l'énergie nucléaire, en anglais, ils disent AFCON, en Afrique du Sud, mais c'est l'Union africaine. Avec l'AIUA, le Niger euh, signe ce qu'on appelle des programmes cadres de coopération pour euh, des périodes de 4, 4 ans, 5 ans, comme ça, qui sont renouvelables. Ces programmes-là sont basés sur les plans, les politiques et stratégies nationales. Et c'est dedans qu'on définit les priorités que le nucléaire peut aider à relever. Par exemple, pour euh, le programme euh, cadre euh, de coopération en cours, les domaines prioritaires conformément à la stratégie de développement durable et de croissance intégrée Niger 2035, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé humaine, l'énergie, l'environnement, donc la lutte contre les changements climatiques et bien sûr la sécurité et la défense. Donc ces domaines, comme vous voyez, sont aussi en ligne avec les, les axes de la vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère. C'est des cycles de deux ans. Donc sur cette base, tous les deux ans, la HANEA réunit ici toutes les parties prenantes au niveau national pour élaborer des projets de coopération technique. Et l'AIEA par exemple, va appuyer, soutenir. Euh, le soutien, c'est en termes d'experts, d'équipements, de formation ou de bourses d'études, quoi, à court, moyen et long terme. Euh, en ce moment, nous avons des projets dans le domaine de la sécurité alimentaire qui balayent un champ vraiment large. Pour résumer, je vais dire c'est vraiment un projet qui a été euh, préparé pour la souveraineté alimentaire. Que pouvait faire ou disons que fait la Hanea pour aider le Niger à atteindre la sécurité alimentaire aujourd'hui La Hanea euh, travaille en collaboration avec les autres structures. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, quand on dit sécurité alimentaire, on parle de d'agriculture, radioagronomie, biotechnologie et euh, ressources en eau. On parle de santé animale, on parle d'alimentation du bétail et puis la nutrition. Les techniques nucléaires, telles que la mutagenèse par exemple, permettent de développer des espèces euh, qui sont résistantes par exemple au stress biotique ou bien abiotique. Et ça permet aussi d'augmenter la productivité. Il y a, on peut développer des espèces qui, qui vont donner, euh, en fait, ça permet de modifier certaines composantes. J'insiste, hein, ce n'est pas des OGM parce qu'on ne rajoute rien dedans. C'est juste euh, utiliser la radioactivité, c'est comme si on exposait à de la chaleur pendant un certain temps et ça permet de modifier un peu la composante pour que, par exemple, le maïs puisse donner des, des épis un peu plus tôt, ou bien que ce maïs-là produise beaucoup plus de farine. Je vous donne des exemples hein, que ceux qu'il y a. Donc, en termes euh, de lutte contre l'insécurité alimentaire, si les gens euh, peuvent planter plusieurs fois dans, dans l'année et puis augmenter la production et avoir euh, des céréales quand même à volonté, je crois que c'est évident que ça, peut aider. C'était la première partie de l'entretien du jour avec Madame Zainabou Mindaoudou, présidente de la Haute Autorité nigérienne de l'énergie atomique au micro de Abdul Moumouni Alignali. Fanta, nous allons faire euh, une autre pause en musique avec le son Talaka de Bilal Keit. spirituel a plus de compassion avec cette civilisation du confort qui crée la paupérisation malgré nos efforts. Tous ces pauvres gens qui cherchent un peu de réconfort se de la thésaurisation des plus forts. Oh my God, il a plus de tolérance. Oh my Lord, il y a trop de souffrance. cette chanson Talaka, l'artiste euh, Bilal Keita exprime sa colère en face aux inégalités sociales et à l'indifférence euh, de puissant envers le plus démunis. Il utilise des paroles puissantes pour dénoncer un système qui privilégie l'argent et le pouvoir au détriment des valeurs humaines et de la solidarité. Il évoque les luttes des personnes qui vivent dans la précarité, soulignant leur souffrance et leur résilience. plus de compassion. L'altruisme fait place à l'égoïsme. ça united, on face au capitalisme. Séisme menace l'humanisme. Almighty chasse tout cet individualisme. La course aux richesses nous distrait. Et le sens de la vie plongée dans l'abstrait. Talaka de Bilal Keita. Après cette pause musicale, passons à la deuxième partie de l'entretien du jour. Et cette fois-ci, Madame Zainabou Mindaoudou nous parle des domaines dans lesquels le nucléaire est utilisé et le programme nucléaire national élaboré par la Hania. On l'écoute, elle est toujours au micro de Abdelmoumouni Alignali. L'homme est une ressource vitale pour nos populations en quoi les applications pacifiques des sciences et techniques nucléaires peuvent aider le Niger à approvisionner ses populations en eau et surtout à préserver cette ressource naturelle en ces temps de changement climatique. Pour les ressources en eau, les techniques nucléaires permettent d'identifier les ressources en eau du sous-sol, les évaluer et puis d'assurer quand même une gestion durable parce que aujourd'hui il y a des aquifères, certains sont même partagés avec les pays voisins et le ministère de l'hydraulique est en train de tout faire pour mettre un peu d'ordre par rapport aux puits sauvages que les gens creusent partout sans contrôle et ça, si ça continue, il y aura des déséquilibres quelque part. Donc euh, euh, la santé animale avec euh, les techniques nucléaires, ça permet de faire par exemple les vaccins. Pour les animaux, ça permet de développer des aliments pour le bétail qui sont vraiment très intéressants on a l'habitude de faire les présentations ici pour montrer aux gens et je crois que c'est ça notre plan. Euh, le nucléaire, c'est pas juste un seul domaine, ça balaye un large spectre. D'ailleurs, si je prends les objectifs de développement durable des Nations Unies, sur les 17, il y en a 9 dans lesquels une contribution substantielle des sciences et techniques nucléaires est attendue. Ça veut dire que euh, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, euh, la santé humaine, euh, disposer d'outils de pointe pour traiter le cancer, par exemple, le découvrir à temps, le détecter à temps, le traiter, on a toute une chaîne. Et si c'est possible de le faire au Niger, imaginez qu'on n'ait plus besoin d'aller envoyer les gens à l'extérieur pour le cancer, c'est quand même un pas très important pour le Niger. Le paludisme sévit à tout moment au Niger, avec des périodes de pic importants. Ces applications peuvent-elles aider l'État du Niger à mettre ses populations à l'abri de ce paludisme Donc, euh, pour le paludisme, avec les techniques nucléaires, il y a ce qu'on appelle la technique de l'insecte stérile, qui est déjà utilisée et bon, il y a eu du temps avant qu'elle ne soit disponible pour le paludisme, mais euh, l'ANIA avait déjà commencé à travailler avec euh, les structures impliquées au niveau national pour justement utiliser, euh, pour avoir ce qu'on appelle un insectarium au Niger pour la lutte contre le paludisme. Il s'agit de quoi il faut stériliser les mâles, les relâcher dans la nature. Ils vont venir compétir avec les mâles euh, normaux et bien sûr comme ils sont en plus grande forme, ils vont disparaître. Et bien sûr les mâles ne transmettront pas le palu, ce sont les anophèles comme on dit, sont les femelles qui transmettent le palu. Donc c'est comme ça que les techniques nucléaires permettent de lutter contre le paludisme. Les insectes seront toujours là dans la nature pour jouer leur rôle s'ils en ont un, mais il n'y a plus de paludisme. Il y a déjà un sectarium, par exemple, à Bobo Dioulasso, au Burkina, où le Niger est impliqué pour la lutte contre la mouche tsetse, par exemple. Mais donc, euh, nous sommes euh, en train de mettre en œuvre un projet. L'objectif, c'est justement d'avoir euh, cette possibilité d'avoir cet insectarium qui va être utilisé au niveau régional pour la lutte contre le paludisme. L'État du Niger dispose-t-il des outils lui permettant de pouvoir jouir de ses avantages un jour La HANEA a élaboré un programme nucléaire national qui va être partie intégrante de tout ce qui est politique et stratégie nationale pour le développement socio-économique durable. Donc ça couvre, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les domaines euh, prioritaires nationaux et c'est pour que le nucléaire puisse apporter sa contribution. J'ai parlé des objectifs de développement durable et ça, c'est parce qu'il y a eu des études très poussées qui ont montré que le nucléaire a vraiment un rôle très très important à jouer. Maintenant, la clé, c'est que pour mener ces activités-là, il faut avoir un cadre qui garantisse la sûreté et la sécurité. Euh, c'est pour ça que dès le début, la HANEA s'était attelée à mettre aux normes internationales en vigueur les cadres législatifs et réglementaires, euh, les cadres institutionnels et puis les nationaux. Donc aujourd'hui, nous avons des lois. Nous avons une loi nucléaire euh, complète toutes sortes d'activités nucléaires possibles. En tout cas, on a les lois et les décrets d'application pour les mettre en œuvre. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à la rubrique hebdomadaire environnement de ce mercredi. Nous mettons l'accent sur la marche pour le climat organisée le 7 novembre 2024 par l'association de jeunes volontaires pour l'environnement Anyami. Cette marche pour le climat a eu lieu à la veille de la, de la 29e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui se tient actuellement à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan et les organisateurs ont profité pour remettre leur mémorandum au ministre en charge de l'environnement. Hassan Nourou Abdraman y était, suivant son reportage. Ils étaient nombreux ce matin dans la rue à Niamey, les jeunes activistes, populations et partenaires à battre le pavé, tous unis pour la même cause. Une marche organisée par les jeunes volontaires pour l'environnement avec comme revendication la justice climatique pour l'Afrique. C'est ce que scandé les manifestants tout au long du trajet du stade général Seigne Kunke au rond-point CDB, un anciennement appelé rond justice. Issa Garba, un des organisateurs explique le but de cette sortie. Chaque année, en prélude de la tenue de la conférence des partis qu'on appelle COP, nous organisons une manifestation nationale pour interpeller les décideurs politiques par rapport à leurs responsabilités en ce qui concerne la dégradation du climat ou bien de l'environnement en général. Et nous les interpellons aussi sur leur engagement pris, l'aide des différentes COP et les différents instruments juridiques que le pays comme le Niger a souscrit et s'est engagé à respecter. Donc pour que vraiment des politiques conséquentes puissent être prises dans le cadre de la sauvegarde de notre environnement. Samira Moussa du réseau de la jeunesse sur le changement climatique tenait à faire le déplacement en cette veille de la COP29 qui s'ouvrira demain en Azerbaïdjan. L'objectif à atteindre pour cette marche, c'est de marcher du jusqu'au point point justice où on rencontrera le ministre de l'Environnement ou son représentant à qui on donnera un mémorandum, un résumé des aspirations de la jeunesse nigérienne, ce que la jeunesse aimerait voir comme changement dans ce domaine et les perspectives qu'elle voit dans ce contexte-là. Les partenaires ne sont pas restés à marge du mouvement. Konate Papa Sosten, directeur pays des Oxfam. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point justice. Euh, c'est pour un peu sensibiliser la communauté nationale du Niger, la communauté internationale sur les enjeux du changement climatique. Il y a eu une caravane qui a sillonné tout le Niger pour un peu présenter à la communauté les enjeux donc, du changement climatique, l'impact du changement climatique sur nos communautés. On vient de voir dans ce qui s'est passé avec les inondations qui ont beaucoup affecté nos ménages. On voit l'impact sur l'agriculture, on voit l'impact sur l'élevage, donc en gros, nous, nous voulons sensibiliser afin qu'il y ait plus de financement aux actions donc, de développement, aux actions d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire de l'environnement. Écoutons à présent le titre Bakaleda de Barakina. Musique C'est le 227 et tu connais le code. Bébé, ah. Oh, God, bébé, ah. Rap mix. Dole ka shiga bada bat bakan leda. Baka zama da mu in baka da bakan leda. Gudun kumya neman bakan leda. Baka da izinin shiga dida baka da bakan leda. Bakan leda. maganin reni kuɗi ƙarshen wahala daɗi maganin talauci tashi trap is very good good like S wood wake da shinkawa tuwon mu to shine mi no french na gadama kamar sarko a ghana hankali a baki na da taba in tsere maka da gudu kamar musa mazu dan bikin da amari amarya babu nono kai L'utile Leda évoque souvent les thèmes liés aux biens matériels et à leur influence et à leur influence sur nos relations dans de nombreuses culture, les possessions matérielles peuvent jouer un rôle significatif dans la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Parfois, elles peuvent créer des tensions ou des attentes, tandis que d'autres fois, elles peuvent renforcer des liens. Et dans ce contexte, Bakaleda pourrait explorer comment la quête de biens matériels peut affecter nos valeurs, nos, nos priorités et même notre bonheur. ba ta karewa kana ina da muke nan ga shan wuya yau ga daɗi ka zo ku tume lesi kenan da magara gida kai ba za ni manta ba a can fana shi masoya hana hi gwamna jaha ma ina bace a gaya min neman halak akwai wuya baraki na on the track uh. na zazzale wando kai na shi na yi check Team baby, ah, we are the best guy. 내 몸코이 무게에 돌아서 drift만. Guy, 가무 사만 жар기, 수고 사만 샤기. 바퀴 bani 바니 바퀴 도사긴 나 Aji ajiye kinyi nishi ni da ke e babu bashi in hitsari ban zane na ceto ka za ta yi e Babu bashi, in hitsari ban zane na ceto ka za ka shiga bada saboda bakan leda baka zama da mu in baka da bakan leda gudu kunya neman bakan leda baka da izinin shiga gida baka da bakan leda bakan leda bakan leda bakan leda neman

c'est cette musique, euh, nous allons passer à l'écho des régions de ce mercredi 13 novembre 2024 et nous allons faire un tour à Tessawa dans la région de Maradi. Cette année, la campagne agricole s'annonce généreuse dans ce département, une zone euh, où traditionnellement les périodes de bonnes récoltes occasionnent de multiples mariages avec des dépenses ostentatoires liées aux coutumes locales. Aussi, le préfet du département appelle les producteurs à la retenue, mais surtout à préserver et bien gérer cette récolte afin de sortir du cycle habituel des périodes de soudure très difficiles pour le ménage. Le préfet de Tessawa, Moumouni Salifou, est au micro de notre envoyé spécial Moussa Hassan. Dieu merci, cette année nous avons eu une campagne agricole généreuse. Effectivement, pour une bonne partie des producteurs, le résultat est bon. Donc euh, ils sont en pleine récolte. Beaucoup ont même fini la récolte. Donc euh, maintenant, l'enjeu du moment, c'est la gestion de cette récolte. Euh, nous le savons tous, et on a des pratiques, et des habitudes que les populations font et qui dilapident en un temps record cette production pour se retrouver avec des ménages pour la plupart vulnérables du fait de ces comportements-là. Donc nous appelons aux populations à vraiment eh, s'abstenir de tels comportements qui les exposent à la difficulté. Monsieur le préfet, il s'agit concrètement de quel type de comportement Donc, euh, c'est question de gestion du mariage tel que nous le vivons ici. À pareil moment, c'est le moment de multiplier les mariages, de brader tout ce qu'on a produit pour euh, dépenser dans ces mariages qui souvent ne durent même pas. C'est souvent le fait de s'adonner à des jeux de hasard aussi, et avec les récoltes comme monnaie pour aller à cela. C'est souvent euh, le vol, parce qu'il y a aussi ces aspects aussi. Donc vraiment, dans l'ensemble, nous, nous appelons à préserver, préserver du mieux qu'on puisse ces récoltes, parce que c'est ça qui amène la sérénité dans les ménages et dans la société en un mot, parce que tant qu'il y a de la nourriture, on a le temps de réfléchir au reste. Mais quand c'est la famine, là, c'est vraiment la dépendance. Et souvent, ça retombe sur l'État qui doit souvent organiser n'est-ce pas, des ventes à prix modérés, des distributions gratuites, alors que avec ce qu'on a eu cette année, on peut vraiment et valablement s'en passer de cela ou même réduire ça vraiment de façon considérable. Quelles sont les mesures prises par les autorités pour justement préserver cette production et Je pense que cela est vraiment pris en compte par euh, nos autorités qui ont demandé d'interdire l'exportation de nos céréales, une voie par laquelle tout ce qu'on a comme production est bazardé ailleurs. Et à un moment de l'année, on est obligé d'aller importer ces céréales-là à un coût très, très, très élevé. Donc, si on garde notre production, on consomme notre production, on vend à l'État qui est obligé d'aider les populations, je pense que on aura vraiment réussi une économie de période de soudure très difficile à gérer. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Il est 11h passé de 37 minutes et c'est l'heure du sport. Nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Rekia, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors c'est demain que le MENA national va jouer contre le Soudan à Lomé au Togo. Oui, c'est dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2025. L'équipe nationale du Niger conduite par le Marocain Badouzaki va tenter d'arracher une victoire face au Soudan avant d'aller à Accra pour la sixième journée. Le ména du Niger est en mauvaise position, il faut le dire, euh, dans le groupe F avec un point seulement, tandis que l'Angola a déjà obtenu son ticket. Le Ghana également risque de rater cette euh, Coupe d'Afrique des Nations car il faut que les Black Stars gagnent leurs deux derniers matchs face à l'Angola et au Niger. Donc, la rencontre Niger-Soudan est programmée au stade de Kégué à 16h GMT. Et Grouza, la dixième journée de la Super League du Niger va débuter le vendredi prochain sur les différents stades du pays. Oui, Rekia, je m'en vais vous donner d'ailleurs euh, le programme de quelques matchs. Je n'ai pas tout le programme. Le Liberté de Niamey va accueillir euh, le Jean Gorzo de Maradi. Les Rouges Blancs de la Kouroussou vont recevoir les militaires de l'ASFAN l'AS Garde nationale affrontera l'AS Douane et l'AS Université Abdou Moumouni Dioufou de Niamey croisera le fer à l'Union sportive de la gendarmerie. Voilà un peu pour le sport d'aujourd'hui. Merci, Gourouza. Merci, Passons à présent au portrait du jour. Alors, Fanta, tu nous présentes qui ce matin il s'appelle Tidiane Traoré, il est âgé de 45 ans, originaire du Mali. Il exerce son activité de teinturier ici à Niamey depuis près de 20 ans. Et aujourd'hui, Tidiane, grâce à son professionnalisme dans le métier, s'est fait une renommée et forme à son tour des jeunes. Notre reporter Omar Hama était à son lieu de travail au rond-point Liberté. Tidiane Traoré nous parle de son métier et des difficultés. ayo gweo sõngo tentirno bazen tentirno kite gwe neo nyamera ayi gwe neo za 2002 ay gwe nyamera neo me gwe kulka kite bazen gwe ne gwe te sõngo ne gwe te nyamera neo to ifo no ni dan bazen tente yora bon ni be gwe kuldinga misale no ka matkan bolo kama ka dimma do nugu dugo do gwe fo do nugu dugo don don kite ni mi du matkan gi nafa ome to igo gora bisiba yi wechin go igo gora na ikte mat kai du ngwa ikte mat kan fo bol ko do fo bol sidu ne fam bon stale problem de marché go no bol ko do mat kan ge ba de marché sino mor sidu ta da bro ndun me ngwar kwa ne fam son ay go gora to son abise de jiri waranka ay hijara ay hara ay go neo ne mera neo okay travere ni gengir famandi na fayon kan ni go raga go yo wora bon gora na fakangara din ni goyi ni koy awora ni nera ni dun kena an ten nafa zama go songo a sindi nafa yade zama din sinda importance bobo kanga nimbo avenir ya siya gonda bak fogo bo bolem te kene kena kan go du kanga ni muraro te ne fam ne be ndi kile mo gonda sa ne fam an fo borogo goy ne mo ko sidunoro an fo borogo goy ne mo ko ne dun kena woni kuliyon gono swa borom fo may mu commandé e semat kan nga ban mom yegi sam perdo ko na no gono inshallah go yo warani be du sande ara sande bobo tama fa ngon ni gudu ni noro sidu noro fa ngon yegi non se jina ni gi perdi jina kan mi ga bana ko ne gonda sande bobo ni fam lok so ki di banga je di man duwa agande ha fa agonda perdi agonda nafa ni ba kam go kal suru yande ne rigande to traveler ke yon fono ni gite bore kan sinda kambe goy kan ga gore ke koli gane kala ima du dagabi bo an kuno an duniya bo te ko le on asiboro nafa matukul kan borate ba gurumuya ba danawya ay kul kano e kul no go tunu go don to goy koy ay go che yang to bore ka bor kan ko go kama goy im tunu im goy don don am wana zama zama mo na don go wana ba ma te seri ne fam din go don wana ani no gidi nafa adi eh, man doni kogi ce kole to di man te zeye nigi te dara wala nigi te furugo asite o me o seno yero o diri fata ba yiri si na goy yiri ce tigi don to yiri mi te matkan yiri ngwa yendi kwa anduna bon wono rigo Voilà, c'était le portrait de Tidiane Traoré qui nous a parlé de son métier. Nous bouclons notre playlist avec le titre Yana de Nana Yupanya. bamba nyada hara mai no gogora gani ba no nyamo ba ni nyama ibani yara yara ya ke fata nya kusai kan banya dara ya su dubi ne ba no nyamo ba ni nyama haibani ni zai wani zai wara gogoma da da kai ga filirsu nai zai madi care in ba care gwamni fogo ba wuri watini wani borai ga ba care iga gwamni ke carase yi iga bacare iga gwamnati ni ya ragu sai iga bacare iga gwamnati icarse yi zai madi care in bacare gwamnati fogo bawo say am yeta nyai say ma di chare in ba chare go mini fo go ba wo oh, c'était le titre Yana de Nana Ayubanya. Passons au loti du desk femme du studio Kalangu qui parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas ouverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Lottie, Lottie, Lottie, Lotzi. Lotzi. Así vamos, Así vamos, beda si gigbo din ce mata kan adona ramu ramu ramu yi irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari son ke wura ha ba ramu no ni goga te wura, ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan da wura. ifo layi. <laughs> habibu habibu mana yi sai mana ma nan ka tiyan boba in gida ne ya irkoi he ai sabuni se irko hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jinga foga gina zo sambu kan kan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha koi don da kan ga wallahi akan singa bai zan ba ku si filo ga he irko ai sabun se don da kan da yo dira ifo ne gine babo se son wo kai dai irko na halasai ti haikul manduwa amma ga mu ai singa fahimmat kin se no ni ginga kwaci kai nawo na habibu ci ne ha windo ganda ga ago fogo kwen ni be kan akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni gino ga gagan sai windo ga din siga bai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kul ne ai gigoi zo lakkale kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asdingamu ai ma ni gicim amma nin no himga ha goida da yowo da biyongo wat kulkancine igoyga banda ba da bo fon da mu koy dai dini bon se halin da boli mana da bu koy ne ai siba bi kan na ngo ga tede da window wora son zamanu wora kan pompo ni anan kula gan bumbo pompi ga gan se window wora hmm, habibu baba wati kul dai na sai imu da yowo wi dai amne se ha inga gaba anga mu foraji te ya bonno inga sawi haka hannu no foraji te ya amma himga bere ko ne ha an bai fonda ki gana mm. hali foga singi wendera amma hal wadinka ni him ga hago da yowo imce ceci ba giryaji jino wal haifo ima dabu forajo ma ga hago m dugi bori zan kai mbo halla yan wose <laughs> anai sai inga ni ce han bagar agoba tuno halim ga hayo wote to aga bori amma wallahi gici ni senim hago ko ci an bori hali ga dugi forajo wo banande insha Allah insha Allah ami ay bumbo day bonno ga cingde yo guna hal de akka ga forage wo goyewte ay bumbo day bonno gati guna ko sai kala din yan kan dayin kwa mboda. baro na ai se ay bumbo ila kala kultunu me ay sabu ni se wallahi ay sabu ir ko sai mo kan ni kani bumbo ga di hayawo don ay go nodin ga girbe mun babai hankanti Voilà, c'était les lotis du Dex Femme du studio Kalangou. Fanta, le mot de la semaine est qualité. C'est l'heure de notre euh, page culture linguistique avec Alassane Abdou. Bonjour Alassane. Bonjour euh, Fanta, bonjour Rakia Arimi. Bonjour Alassane. Oui, euh, comme annoncé par Rakia, aujourd'hui nous allons vous parler d'un mot qui est la qualité. mataka tir se donai da da larba kulu ir kak salam bore sar kanga ci e iri wani sanni zakir goranda bon kanga dukunan bore mdu fahama abum kalite wo nigma sanni kulrano bore gaci dubora ga hausante daga bare sante daga balle sante daga zaram sante nigma ganga sanno tam tam tam ne kalite gasi fut kalite kalite yi an kasa irka sani zo bon hunkur mantikala november hando a wani zaru wakin eh, a wani girbokin dafa zaru nuki kan dunya kurra kan gati sani zo maga kan gati kalite kalite da ti hari hannu har burkinan ti daga jirgin koi nin ti shi dai habura zaru no ne dai igine he wo mantikali ta no sanga manti kimi kimi wono kan nigite ni himande mabar da kimi ni himandi mu barda i hanna i himandi mu barda wokan i tabbatan di tabbatanta zama ifo seno sanni zo woka hunkunan dunyora watu kulu har hanna ne a himkirani himkiradin bori na se photocopie bori ne fekko bori ne ilala bori ne deuxième bori ne huitième wo se igine himkiri da non de gina wani metro sikal zambartaki wo metro sikal zungundu wigu i kan ni kulgi him cari amma zani da ga hamu gani bai to ya di monal al kason da saru surano go go kul kan ni gogace isi ba kala kim din mu fatta kimanta din mu bangai zamu na nan guyo kan ni gace in bai kan wani a gonda darza don ka har darzan ta din gita kali te ki gici zan bora ga magina ya kalita ne sai duk ma bora ne ba ma har kalite duk ma bora gife har fulani kalite don ka kalite man ta kulkala har darzanta har kimci manta kan mantin da tari taro wono ko ka fu kola fullon ko kan bora gihan afon din na hannu ga jarbu afon su jarbu afon din na hannu ga ne tri top nugo gahan ni gin bo hanimi ne wone o kata ko ni te wal nigeria ninte wala nasar labninte yaniga har yenno kango dukanam fam ka bay fot kalite wo a mana hamis fo lonkor bore ga ma bore ne wo shinwa hamisano wo hamisa kango bor kajino wo ne yakin da yakin wo fot kalita sango wo fot i hanna kan de bornga igine hun kun zarnyo mo kan bore ga kam shu mo gono ida ka irkom ska tariga imine kam shu mo gono imine mo ker ke ragono mo la la gono 32 brisiri fo wo fot kalita wo fot hanna yaniga dibor marsanira borene worsa yani wa kalite mo non damo yani wa woni kango na kalite no mm. amanadeti ihan nano wone ikim kimantano wone mantuwo kan idiku dondon kiteno kan erbore se e niga ma orga ma jadi sek gene mantu bore kan gutu bule dan mo yangon kan kalita dino kirko no bore nonda mantu gutu bule dan kaino wot kalite wo a mana ne mono irga kai wot faman do kirka tiar kan gati bore se har kan gati kalita bo irga ran fondo goy merci beaucoup Alassane pour euh, ces explications claires Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa Zarma ou Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter le message envoyé par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. aigi studio kalangu bai lor mani zamai ga hangan zamai wai nu rubun bona ga dankace dai te handufa cegu ya monu da te girbi idu dai nagi ce sifwa a pelo ai sidu ai amma dai dan credit iga kai sai dal hinza ai muni kapte ba son da kalkai ni labari hangan labari kunna ga hangan pat ayo kadai banin ga emission wai gwara ga hangan o studio kalangu jurna man teno kai sa hangan dollotti sigirodi ma dalla do ka gane choro ma dalla gani oh. hanga mm, zami ga salan noy mene manani hankan ni gaba de no da trois no da no ni manani o oh. mm, ai shi bai min tu na gane wal mata yan ai dai ga ma dai amma ga hangan cincin ai ga da bore kai ga fo to ai ga alkairu fo dai kan go gaya ai ga mustafa fo kan go nyaman chauffeur no ai ga himadu lazare fo ai ga abdul nasir rutfilin jafo sunana hawa mara hashim anan dogon duci To yanzu cikin wanga shirye-shiryen harkokin wannan ra'ayin. Mm, shirye-shiryen jido kalangun nan da suka sa da halal sa suna dai bibbirge mu dai in sun sa su dai suna yi muna don muna saurara su. Ina gaida eh, Halima Abujan, ina gaida Garki da Nana, ina gaida Maryamu mata dan babba, ina gaida Mamma Umarito da sauransu dai duka. ina gaida madan samira assalamu alaikum sunana malam iso gidan iddar ni mai sauraron studio kalango ne muna yaba mu studio kalango akan abubuwan da ta yi na waye kai akan tsaro akan ka tsaro a cikin ƙasa da kuma shirye-shirye waɗanda sun ka shafi wayar da kai a cikin ƙasa a cikin wannan yanayi da ake ina Eh, roƙon al'umma duk gaba ɗaya na Nijar su ba da tasu gudunmuwa akan a samu kwanciyar hankali a cikin mu Nijar gaba ɗaya. Saboda uwa ɗaya uba ɗaya ake Nijar duka gaba ɗaya. Muna gaida dukkan mutanen studio Kalangu game da wannan ƙoƙari da suke yi. Muna yaba musu kuma muna jinjina musu. Na yaɗa duk manufofin al'umma a faɗin Nijar gaba ɗaya. Muna gaida su sosai sosai. Suna na Jan Kirdo. studio kulangu suna mini abin da nake so sun da kaga yanzu in an kai magana ko da turanci na in ban gane sai a maida da namu yaren hilatan shi kaga sai in gane kenan ni tunan sun gama mini komi ni ina jin daɗi kai ni dai komi na su birge ni shi kai ko da yaushe dai ni in isa ina jin daɗi har da in an kasa kiɗan na ana studio kolongu ina gaisa ina gaisa shanuna ina gaisa uwayena Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Rakia Arimi et Fanta Chamsou. À la technique, c'était Abdelkader Chambiano et Mariam Adey à l'édition. Ciao, ciao.